Lopez, euh, coordinateur régional de la de Nous avons beaucoup de besoins que le préfet et les services de l'État se sont engagés pour satisfaire tous nos besoins euh, sur l'électricité, l'assainissement, la sécurité et mode de circulation. Oui, oui, nous sommes très satisfaits puisque tous les services étatiques ont pris des engagements pour nous satisfaire sur nos besoins. Euh, euh, la réussite totale. Nous attendons la réussite totale. Euh, après avoir rendu grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre khalif, le, le Amitian, le cher yes, et nous souhaitons longue vie et santé pour notre khalif et tous les autres fils de Cheikh Ibrahim yes. les pèlerins, nous leur demandons d'être toujours comme a été la communauté niassienne, être discipliner et se bien habiller venir à l'heure et respecter les normes et di bi euh, ndax réunion bi service yi nga lañ service ñëw nañ kenn ku nekk engagement pour satisfaire nos besoins sécurité mode de circulation ak affaire santé environnement assainissement ak sapeur pompier police ñëpp jël nañu ay engagement kon euh, am nañ satisfaction si besoin yi nga xam ne moom lañu demande woon ren sox indi nañu ay doléances yu bees si affaire sociale yi nga xam ne dañuy soxla ay vivre pour gan yi ñuy dalal ak yi ñuy toggal loolu préfet bi jël na si engagement ak service yi nga xam ne ñoom ñooy def loolu pour mun ñoo satisfaire waaw ñu ñu ngi leen di ñu ngi fàttali mbokku taalibe yépp na leen nañ nañ mel comme ni nga xamee ne noonu lañ xamee communauté Cheikh Ibrahima Niass xam-xam ak sell ak yiw ba buñ ñu respecté norme yi nga xam ne moom la état bi bëgg ñu def ko ñëwee ko ci gàmm gi ñëw ci jàmm solo ba rafet ñëw ci jàmm bu ñu ñibbi tamit ñu delluwaat ñibbi ci jàmm ba ba am ben ben ben gàllankoor buñ ko am ñu ngi ñaan yalla ñi ñew yalla indi leen ci jamm delo ci leen ci jamm ba ben accident wala ben xaarma yàlla bu ñu ko am. ci yoon euh, ci yoon ñëw peut-être avant de répondre à, à, cette question déjà me féliciter de la tenue de cette euh, de cette réunion donc euh, préparatoire au au Gamou de de Dakar d'ailleurs c'est comme ça maintenant que ça s'appelle donc initialement, on parlait communément de Gamou de Djepol parce que c'était un peu circonscrit donc, à, à Mais vous voyez, donc euh, l'événement a connu des proportions telles que aujourd'hui, on a été même obligé de le sortir euh, de Djepol et de le, de le tenir au niveau du d'art communément appelé d'art euh, Seyda Maria Menas. Mais donc ça veut dire que aujourd'hui donc l'événement a considérablement grandi. Aujourd'hui, c'est à cheval entre déjà deux arrondissements, entre l'arrondissement de Grand Dakar et l'arrondissement de Passa. Donc, comme nous, la Réunion, euh, le Gamou donc, se tient dans notre euh, circonscription, circonscription, c'était un devoir depuis plusieurs années d'organiser cette rencontre pour déjà voir comment l'État pourrait appuyer à l'organisation de, cet événement religieux. Donc, euh, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés aujourd'hui. Donc, la coordination donc, euh, a émis des, souhaits et euh, les services de l'État ont, tous répondu présents et ont pris quand même des engagements qui feront l'objet de suivi donc quotidien pour euh, les réalisations réalisation avant, avant la date du 20 avril, donc qui est la date retenue pour le, pour le GAM. Je voudrais aussi féliciter donc euh, la coordination du DAERA qui a quand même apporté beaucoup d'innovation dans l'organisation. Donc, euh, et je, voudrais donc profiter de la présence euh, de son président pour féliciter l'ensemble des membres de cette coordination-là. Oui, les engagements, donc, comme à de pareilles circonstances, l'État se met aux côtés du comité d'organisation pour régler les problèmes qui ne peuvent pas être réglés par le comité d'organisation. Ce sont les problèmes liés à la sécurité et le commissariat de Grand a pris toutes les dispositions pour déjà euh, sécuriser la zone, mettre des éléments à jour mettre à la disposition du, du calife et de son représentant à Dakar des motards pour euh, un peu donc euh, aider à, à, la, mobilité. Donc nous avons pris l'engagement aussi de de saisir euh, le commandant de l'escadron de la circulation de la gendarmerie pour un peu fluidifier donc, euh, la circulation au niveau de l'autoroute. Parce que, fois euh, innovation cette année, il y aura une cérémonie de, officielle, donc une cérémonie officielle, donc à 17h, donc, qui sera suivie du, du GAM. Donc, les problèmes de sécurité, les problèmes d'hygiène, les problèmes de santé, hein, les problèmes d'environnement, donc, euh, et sur tous ces problèmes-là, donc les représentants des services ont pris des engagements, et comme je l'ai dit tantôt, qui feront l'objet quand même d'un suivi euh, rigoureux et continu. waaw dañuy sant yàlla gàmmu comme ni koy faral di waxé mais légui wess na lolu légui nit ñi sax gàmmu de Dakar lañ koy wowe ndax euh, bu njëkk peut-être si jëppal la mais yalla dafa def mu am dayo bo xamante ne bi léegi mënatul sax xaj foofu ñu génnee ko indi ko ci arrondissement Parcelles Assainies loolu nun moo ñu si boole ci wàllu organisation su may wax ci wàllu état euh, donc euh, sant yàlla gum parce que tant que demuñu si ba jeex donc duñu am satisfaction bu ñu bëgg waaye ñu ngi sant yàlla ni mbir mi commencé parce que dafa feeñal que service de l'état yi nga xamante ni bi am nañ habitude di ci indi seen participation

yoo la euh, organisation bi di ñaan yalla rek mu gën leen ba lepp li nga xamanteni bi nañ ko yalla yalla yalla defal leen ko te mu mu doon lo xamanteni bi lu événement bi lay doon ci lu donc euh, ñepp xam nañ ko euh, Cheikh Ali donc yalla dafa def talibé mi ci biti ah daanaka booy xool ci bilim sax ñoo ëpp sax taalibe yi ci biir ndax boo demee Nigéria rek la fa nekk ci taalibe moom euh, yéen ñëpp gis nga ko si vidéo yi donc organisation nu ndaw donc loo xamante ne bii boo ko organisé fii danga am waa dëkk bi ñëw am ñu dëkkul si dëkk bi ñëw am ay étranger yi yoo xamante ne bii ci yeneen réew yi la jógee di ñëw loolu faw nga fàggu ko donc loolu donc moo doon taxawaay te ñu ngi si am yaakaar que yàlla dinañ su taxawal a, la,